nous allons continuer notre plan d'action. Et ce qu'on va faire, c'est que le 29 juin à venir, nous allons organiser une grande manifestation, qu'elle soit autorisée ou pas. Le terme autorisé est impropre, qu'elle soit interdite ou pas, parce qu'en matière de manifestation, l'interdiction, c'est l'exception. Le principe, c'est l'autorisation. La loi est très claire que ce soit l'article 8 de la Constitution ou la loi de 1978. Le préfet ne peut interdire qu'à titre exceptionnel et il doit le justifier par deux conditions cumulatives. Un, qu'il y a menace à l'ordre public. Deux, je n'ai pas suffisamment de ressources euh, euh, policières pour encadrer. Et ce n'était pas le cas dans la motivation du préfet la dernière fois. Et c'est pourquoi la Cour suprême, moi je l'avais dit ici, je ne crois pas à ces juridictions-là. Comment pouvez-vous comprendre Même le procureur auprès de la Cour suprême a, dans sa plaidoirie, il a considéré que l'arrêté du préfet est illégal. Même le procureur, c'est-à-dire l'État. Le procureur a considéré que l'arrêté est illégal. Demandez à Maître Bamba qui était là-bas pour nous représenter. Et le juge, lui, sur aucune base, valide l'arrêté. Parce qu'il a probablement reçu l'instruction pour le faire. Et c'est ça le Sénégal. Et s'il avait pris la bonne décision, il n'y aurait pas eu trois, personnes décédées. Et c'est un juge qui est là, qui fait ce qu'il veut. Et après, on dit, voilà, euh, comment on appelle ça Respect des, institutions judiciaires. S'il avait pris la décision qui se devait ce jour-là, il n'y aurait pas eu trois, euh, personnes euh, lâchement assassinées. Alors, le 29, avec ou sans autorisation, nous allons organiser notre manifestation sur le territoire national. Ça, c'est la première information. Et si Macky Sall veut empêcher cette, affaire, je le dis ici et je lui adresse directement le message, qu'il soit prêt à nous arrêter ou à nous liquider, parce qu'il n'a pas d'autre choix. Le 29, personnellement, je ne serai pas confiné dans ma maison, je manifesterai et qu'il soit prêt soit à m'arrêter, soit à me liquider. Je le dis devant le monde entier. Donc c'est la justice qui pose problème dans ce pays. Et s'il instrumentalise une fois de plus cette justice pour penser pouvoir emprisonner des gens sur des, des, détails farfelus, nous, l'appel qu'on donne, c'est que tous les jours et de manière spontanée, et je parle particulièrement aux jeunes, n'attendez même pas le mot d'ordre de manière spontanée, à tout moment, organisez-vous, quartier par quartier, commune par commune, département par département, pour organiser la résistance à Macky On n'a même pas besoin de demander une permission. Ça, c'est le 29 et on verra. Et à cette jeunesse, puisqu'elle semble être au centre de toutes les préoccupations subitement, tout le monde sort pour adresser un message à cette jeunesse. <coughs> il semble que nous, nous utilisons la jeunesse comme de la chair à canot ou on l'oriente vers autre chose. Moi, je dirais à cette jeunesse, nous n'avons pas de relation d'intérêt entre nous et vous. Nous ne vous avons rien donné ni rien promis. Au contraire, c'est vous-même qui vous cotisez quelquefois pour nous permettre de faire des activités. La relation que nous avons est une relation de confiance bâtie autour d'un projet pour le Sénégal et pour l'Afrique. Et nous savions tous en entamant cette euh, ce projet qu'il nécessiterait beaucoup de sacrifices. Il n'y a jamais eu de projet de ce genre qui ait pu aboutir sans qu'il y ait des sacrifices. Et le prophète était plus religieux que nous tous. Pourtant, il a monté des armées, il a fait des guerres et des gens sont morts. Parce qu'il était convaincu de détenir la vérité quand il le faisait. Qu'on arrête de nous dire certaines choses. Le jour où on sera convaincu de ne plus être dans le vrai, nous arrêterons tout de suite. Et il ne faut pas qu'on nous fasse croire que dans ce qui se passe au Sénégal, tout le monde est responsable. Il n'y a qu'un seul responsable. C'est celui qui utilise tous les moyens d'État pour taper sur les gens, pour emprisonner, pour écarter les candidatures. Il est le seul responsable. Celui qui utilise la police et la gendarmerie pour assassiner des manifestants qui n'ont que des pierres ou qui sont souvent à, euh, euh, qui viennent les menus. C'est celui-là qu'il faut considérer comme le seul responsable. Et celui-là même vient de reconnaître qu'entre l'Ukraine et la Russie, il y a un agresseur et un agressé. Dans tout conflit, il y a un agresseur et un agressé. C'est ça la vérité. Et tout le Sénégal sait qui est l'agresseur. Tout le monde le sait. Maintenant, qu'on ait le courage de le dire ou de ne pas le dire. Et c'est pourquoi nous maintenons notre combat. Nous n'y changerons absolument rien. Et nous maintenons notre mot d'ordre vis-à-vis de tous les Sénégalais, vis-à-vis de particulièrement la jeunesse, la diaspora, les intellectuels, les chauffeurs de taxi, les chauffeurs de transport, les agriculteurs, les marieurs, les étudiants, tout le monde. Et même les journalistes. Parce qu'il y en a qui jettent des cailloux de temps en temps, j'en ai vu. Et nous voulons également, et j'en terminerai, redonner la parole au peuple. pour donner la parole au peuple. Parce que ce qui se passe doit avoir un arbitre. Et l'arbitre, c'est le peuple sénégalais. Puisque nous tous, nous nous adressons au peuple. Si nous devons aller aux élections, c'est le peuple qui doit trancher. Donc quand il y a un conflit, le peuple doit trancher. Tout le monde ne peut pas aller à des manifestations, nous en convenons, pour des raisons variées. Mais tout le monde peut participer et exprimer son mécontentement. Et c'est pourquoi nous voulons demander à ce peuple nous voulons proposer à ce peuple un autre moyen de lutte pour s'exprimer et envoyer un message à Macky Sall. Tous ceux qui ne sont pas d'accord avec la manière dont Macky Sall gère le pays, ce que nous vous proposons, c'est des concerts de casseroles et de klaxons à partir de ce mercredi, après-demain, à partir de 20h00, que tous les Sénégalais en tout cas, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec Macky Sall, ce n'est pas cher payé. C'est de se mettre sur votre balcon, sur votre terrasse, devant votre maison, de prendre des casseroles et de taper là-dessus pendant 10 minutes. Que toute la ville, que tout le pays brusse de ce concert qui exprime un mécontentement et qui envoie un message à Macky Sall et à la communauté internationale que tous ceux qui sont véhiculés, qui seront dans la circulation, ou même qui sont garés devant leur, porte, qu'ils descendent et qu'ils klaxonnent, qu'ils actionnent leur klaxon pendant 10 minutes, que tout le Sénégal brusse et que Macky Sall comprenne que les Sénégalais ne sont pas d'accord avec ses velléités dictatoriales, mais avec son projet funeste de troisième mandat, qui, si l'on n'anticipe pas, risque de coûter très cher au Sénégal. yëral yëral waay yëral yëral xam nañu jotal yi yëral yëral